في غرب إفريقيا يهدو به عمر شهر الفوتي وورد مكتومنا يتلى على هلقل في غرب إفريقيا يهدو به عمر merci euh, aux conférenciers et aux modérateurs et à l'audience qui a suivi avec intérêt euh, la conférence sur le savoir dans l'islam, illustration dans le développement durable et la justice économique, finance islamique et partage des richesses. J'aperçois dans la salle le directeur de la BNDE et quand on parle de développement, je pense qu'aujourd'hui, il a bien noté que la finance islamique doit être intégrée dans les mécanismes de financement pour un développement de ce pays. Recommandation numéro 1 portant sur l'importance du savoir dans l'islam. Vu la première injonction faite par Allah subhanahu wa ta'ala à notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apprenez, lisez, vu que notre Seigneur nous a fait injonction d'aller à la quête du savoir afin de mieux connaître et pour et enfin suivre la religion de la vérité qu'est l'islam, vu que l'islam promeut la paix, l'humanisme, la solidarité et le droit sacro-saint de préserver la vie et la dignité de l'homme, vu tous les éclaircissements apportés par nos conférenciers et les différentes contributions et les différentes contributions des participants, la conférence recommande les points suivants. Que les autorités religieuses sénégalaises, toutes confréries confondues, se mobilisent tous ensemble un meilleur enseignement du Coran et des hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre leur enseignements afin de lutter contre l'ignorance et les errements. Qu'à cet effet, une stratégie d'urgence doit être développée à l'intention de notre société en général et de notre jeunesse en particulier pour élever leur niveau d'accès et de maîtrise du savoir. Sa mise en œuvre concrète, concrète se, fera à travers les écoles coraniques, les daras, les daïras, des associations religieuses et les mosquées avec un contrôle qualité sur les curricula enseignés. Qu'un plan de communication efficace et simple doit être élaboré de concert. Il s'appuiera sur les atouts, sur tous les canaux médias traditionnels ainsi que le nouveau médium, l'Internet. La conférence recommande qu'un comité ad hoc des oulémas du Sénégal soit mis en place et qu'il réfléchisse sur ce point pour sa formulation, sa mise en œuvre et son suivi évaluation. Que les autorités gouvernementales s'investissent dans cet agenda et intègrent cette stratégie dans les écoles. Que des rencontres périodiques souples puissent favoriser le suivi et évaluation de ces recommandations. Recommandation numéro 2, portant sur le développement durable, la justice économique. Vu la première injection faite par Allah subhanahu wa ta'ala et à notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ikra, apprenez, vu que notre Seigneur nous fait injonction après la prière de sortir la zakat, pilier important de l'islam qui donne tout le sens du partage équitable de la richesse qu'il attribue à son sujet pour soutenir son prochain, vu que l'islam promeut la paix, l'humanisme, la solidarité et le droit sacro-saint de préserver la vie et la dignité de l'homme, vu tous les éclaircissements apportés par nos conférenciers et les différentes contributions des participants, la conférence recommande les points suivants. Que les autorités en charge du développement économique et social intègrent le plus possible une approche de développement inclusive dans la formulation de leur stratégie. Que les produits de la croissance, en termes de richesse, créés au niveau du pays soit plus orienté vers les besoins des communautés de base, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et surtout de la sécurité alimentaire pour leur mieux-être. Que la planification des ressources budgétaires tienne compte le plus de la dimension territoriale avec une distribution plus équitable des investissements sociaux, à savoir dans la santé, l'éducation et l'eau potable. Que les communautés de base soient le plus associé aux stratégies de protection de l'environnement car elles sont les premières victimes, les premières bénéficiaires et les premiers acteurs. Que l'édification massive d'éco-villages soit encouragée et effective, particulièrement dans la contrée du Fouta, afin de mieux garantir la restauration et la protection de son environnement à travers le retour des écosystèmes que les communautés de base s'engagent auprès des autorités à contribuer à la mise en œuvre des politiques et stratégies retenues après la COP21, que les communautés de base s'emploient à contribuer de, de, tous les efforts, de tous leurs efforts et énergies à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Que le ministère de l'Économie, en rapport avec la Banque islamique et les ONG, puisse promouvoir le plus possible le financement islamique afin de garantir le plus large accès des communautés de base au financement de leurs microprojets, notamment dans le domaine de l'agriculture familiale. Enfin, la conférence recommande fortement l'édification d'une université technique et professionnelle Cheikh Oumar Foutioutal au Toro afin de dispenser des enseignements qualifiants notamment dans les filières de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de la foresterie et de l'agrobusiness, ce qui s'inscrit naturellement dans la perspective de l'émergence de notre pays. Motion de félicitations. Le Khalif Tcherno Madani Muntagatal, serviteur de la communauté omarienne, l'association Ahbab Cheikh Omar Foutiutal, la Ligue islamique du Sénégal Rabita, L'ensemble des participants à cette rencontre de haut niveau tenue le 21 janvier au King Fahd Palace de Dakar exprime leur profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, pour toutes les mesures qu'il a prises pour instruire à son Premier ministre de venir le représenter personnellement à la conférence et son gouvernement d'accompagner Ahbab et Rabita dans l'organisation de la Ziara en général en vue de sa réussite totale adresse leurs vives félicitations à Monsieur le Premier ministre et à l'ensemble des membres de son gouvernement pour leur soutien et leur contribution effective ayant conclu au succès de cette présente conférence. Remercie Monsieur le Premier ministre d'avoir consacré une partie de son précieux agenda en présidant cette importante rencontre de haut niveau et apprécie son courage et la détermination de son gouvernement pour trouver, aux côtés des citoyens, des stratégies idoines devront contribuer au développement durable dans notre pays et à la résolution des problèmes cruciaux de l'heure qui interpellent l'islam dans son ensemble. Assure à son Excellence Monsieur Macky que les recommandations prises au cours de cette conférence viendront appuyer toute initiative développée dans le cadre du plan Sénégal émergent. Motion de remerciement, Tcherno Madani Muntagatal, serviteur de la communauté omarienne, l'association des Ahbab Cheikh Omar Foutiutal, la Ligue islamique du Sénégal Rabita, l'ensemble des participants de cette conférence, à cette rencontre au niveau tenue le 21 janvier au King Palace de Dakar, adressent leur vif remerciement à l'ensemble des conférenciers, le professeur Ibadet Cham, le professeur Abdul Aziz Kebe, le docteur Abdou Karim Djaou, le docteur Ousmane Ali Pam, ainsi que leur modérateur, le professeur Rawan Baï, le, président, vice-président Mansour Sidjamil, le, président le professeur Aboubakri Moussalam, pour la qualité et la maîtrise de leur présentation ayant donné à cette rencontre intellectuelle de haut niveau un succès éclatant. Appréciez la qualité de leurs contributions qui ont servi de base à la formulation de recommandations pertinentes aux différents sous-thèmes remercie le groupe des interprètes, traducteurs et le technicien dirigé par Mme Fatima Taljei. Remercie le président, directeur général et l'ensemble du personnel de King Fat Palace pour leur inestimable contribution. Remercie enfin tous les participants ayant œuvré pour la bonne réussite de cette manifestation faite à Dakar le 21 janvier 2016. L'honorable député Omar Sy pour ce travail si remarquable. N'est-ce pas Félicitations. Merci. Félicitations. Adoptez donc à l'unanimité et par acclamation. Maintenant, euh, Thierno, yow la ñu jox kàddu yow yaa war ñaan ba la ñu fay jóge bu neexee <laughs> alhamdulillah. le foo leen yalla. تبدر إن بسم الله مجراها إن غري هذا بسم الله مجراها مرصاها ونذكر الجميع وعلى الخص المحاضرين القادرين أبناء بلادي إن جت يمي بفوف إن فوف إلى إن جت محاضرين بكرر هالوجمن جلنا نبي بيبليدي e ɗiɗo conférence uji ɗi ngannduɗa so tawi jaram ene waɗi coctel ɗiɗo conférence uji ne ko coctel sibo ko gueɗe ɗe jiida ndendina ɗo kanƴe foof noon koye nder neɗɗo ɗi jahata koye maslaha neɗɗo ɗi jahata koye nder l'islam kadi ɗi jahata ala hen fof ko yalte l'islam kala ƴettuɗe hen konngol oɗon gandi sikkano ko conférence ji universitel tan ala tawama tigi ko anduɓe l'islam kalanno ɓe jarama no fewi en jettiɓe enen foof ɓe kaari al ilmu wal marifa gandal e anduɓe ɓe kaali environnement ɓe kaali ittisadul islami ɗe goɗe fof ko geɗe ɗe allah ngannduɗa allah ene yamiri ɗum ko adinde e yay goto tagete haalen ɗum annabi salllahu aleyhi wa sallam haalten en ɓe kaltiɗe jooni abdoul asis keɓe o ƴetti conférence makko gila ne adi neɗɗo ne jippoto e leydi he gila adama ene woni dow ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وعلم آدم الأسماء كلها قالوا كن جاتين دو ها أدن أوغس ني آدم تقا إن ولي دو آت وتأل جناجي إلا نين الله حالي ودي دو جدي فو إلا يلتنا پر سيدة سيدة سيدة سيدة ورطتاكو يكو حال نوكو عثمان فام وقال لي أن ألا تجي ليدني تجي يمبي تجي جيني جدي اندر ادو ليدي ويان اها نيدر لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ورم بدا ليدني كو انا بولدوم تشغال ندير مفيوني ليدني كون ان الانسان لظلوم كفور neɗɗo ene tiiɗi hoore ene waawi bonnude ene yaha ene wiya ene moƴƴina ɗum taw koko bonnata yalla wallu en e wa jeede e moƴƴinooɓe e moƴƴitinooɓe leydi so bonii abdoul karim diaw soo demee wi nañu amadou ba mola tanni ko toogal ko fii dañu ragaloon lool xam nañu Abdoul Aziz Kébé xam nañu Ousmane Pam xamuñu la mais xam nañu ne ku te ku ku ku euh, ku la tànn xam na la ñëpp dëgg nañu li nga wax kontaan nañu ci jërëjëf àll eh, bi دو في ناس إسلاميك النبي يقول اعملوا إيه، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يرين من والله سنقول ما الذي يكون قول ما النبي سيد مول نفتر قول المول كنون كنون qala noon e développement islam o ko wi ko ɗum ene hulɓini il faut mbatten en hakkillaji e nder yimɓe joyo fof ko goto woni gollotoɗo heddiɓe ko ñamoɓe e e, ko nayoɓe ko ñamoɓe ko goto o golloto ko <laughs> yallah wallu en enen fof golloɗen hay sinno ko nayo fof gollo kam taw goto woni ñamowo <laughs> tinnuɗen ganden koye men ganden ken tagaɓe won takɗo en ndewen ɗum ndewen jamirooje ɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam tindini en ɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam haligu ko ma arsalnaka illa kafatan linnasi nelmami koye aduna he fof ko e yimɓe ɓe fof jaɓɗo woni julɗo jaɓi mo jaɓani woni julɗo kono kam aɗa nela e muɗum yallah watta en e jaɓoɓe ko annabi sallallahu alayhi wa sallam nela e meɗen ko ولقد كرمنا بني آدم ولقد خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لتعارفوا julɗo o e kerecien o e yahudiyanke o ebo wona hay hunde fof yo gonde e jaam gandodira jaha e jaam kono yallah waɗ en andoɓe ken tagaɓe andoɓe tagɗo ɗumen e rowoɓe ɗum yallah waɗ en hen kono jaɓoɓe ɓe e saloɓe ɓe salotoɓe ɓe oto allah wattu en e salotoɓe sibo wattan fof koto allah paatuɗen wattan wattan fof koto allah paatuɗen خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم سؤوبا وقبائل لتعرفوا كريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم bawɗol yaade fof waɗe ɓe ɓaleɓe tuubako e, e ɓe arabe ɓe e ɓaleɓe fof ko yon nganndodir moƴƴunon nguurdam mum moƴƴunon aduna moɗon kono ngannde ɓuri moƴƴude e ko kulɗo allah razakana llahu taqwa subhanahu wa taala yo allah fewnu en yo allah moƴƴin en jetti conférence ji ɗi e ardiɓe conférence ji ɗi fof en jetti président euh, président ibadar thiam يبدر كام الذي اتقوا فراسة المؤمن فإنه تنبوء من نور الله ألا وانكو فتشي بهن الميري يا دي من جيه يا مكو وحالي كونغول الشيخ عمر الفوتي نقول كونغول ميدا دم نندم ميدا ولي وانتا قول يجد كونغول جود ولا فيوي وي شيخ عمر كونغو اياني هرمودو مي ادنا weli sheekh umar ko waɗa ko hay gooto waɗa ka ɗum e aduna o wi cheikh oumar ko waɗi ko hay gooto waɗani ɗum e aduna kanko haalno ɗum konngol jooɗugol no fewi mbiɗa hay mbiɗa anndi onon oɗon jooɗangol oɗon kawangol aha oto hay gooto wi noon marani haalti ko ibodere haalno urni Cheikh Umar annabi urni Cheikh Umar seydna Cheikh Tidiane la pam ya hala yo fami ko wada e Cheikh Umar ko o wi ko wada e Cheikh Umar ko ko Cheikh Umar wada ko ko tonya ko allah ne du neɗɗo tooña ɗum ƴewtu gurdam ko ƴewtuɗa gurdam be dibbe Cheikh Umar ko wadi waɗi e gurdam ne nafti yimbe ko wi ala baɗɗo ɗum kanko tan no jibinira e no gasiri mbo anndu ko haali ko ko goonga a jaaraama en beltima no feewi yalla woppe e jeesa amen ko jooti yalla nawru l'islam o yeeso aduna o yalla rokku ɗum deeñre yo yimɓe guurde e jamme cellal wa sallallahu wa sallam ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi altayibin altahirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin hannde ziyara gogodiral juulɓe ngal ko hannde fuɗɗi ɗo aljuma eɗen toon to rawdotoa ngata ko toon paatuɗen wanna ila rabbi kal muntaha paatuɗen ko koto koto koto koto koto diwra eh, eh, digiral alhaji oumar to to juma alhaji oumar to alhabi aljuma eɗen toon asete eɗen toon alete eɗen toon altine eɗen toon nduwoɗen yo allah jaabo ko nduwotoɗen wassalamu aleykum <laughs> Ah, il faut. Félicitations, الفوت وورد مكتومنا يطلع على هلاجل في غرب إفريقيا يهدو به عمر شعر الفوت وورد مكتومنا يطلع على هلاجل في غرب إفريقيا يهدو به عمر